nous avons organisé une journée dénommée Nassurulai pour un meilleur cadre de vie. c'est juste dans le but de, revoir Nassurulai, l'assainissement, mais aussi l'environnement et surtout le cadre de vie. Aujourd'hui, on a des routes, vous voyez, on est ici, <laughs> appelé Tarikaro, mais on ne voit plus de Tali. Et c'est notre combat, ça fait partie de notre programme. Il y a Tali Mamdiar aussi, que vous connaissez bien, qui est l'autre, qui est une route principale, qui n'est pas, qui n'est, euh, qui est encore laissée en rade. Donc c'est notre combat. Et à la poste de santé, euh, les, routes sont là-bas, mais y a pas sont pas accessibles. C'est notre combat. Donc nous sommes là pour porter les combats de Nassouroulaï. C'est Nassouroulaï, euh, de la commune de Djamagun Sikambao, mais aussi c'est Jaksao 2. Donc on est là pour porter le combat et le combat et on est là pour aussi pour donner l'exemple à tout le Sénégal. Oui, bon, en parlant de l'insécurité, oui, il y a certes l'insécurité ici, mais quand même, il faut euh, savoir que des efforts ont été notés parce qu'il y a l'électricité euh, qui n'a pas encore atteint d'autres secteurs et que nous exergeons aux autorités qui sont là de veiller à, euh, la sécurité et à, électrifier tout ce quartier et aussi bien mais plus précisément Nassourolaye et Diacksao 2. Donc, c'est ça. Oui, c'est notre combat, vous voyez, l'assainissement, c'est notre combat parce qu'on voit, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire et à refaire parce que vous voyez ce canal-là, oh, c'est catastrophique. C'est notre combat pour que l'assainissement soit, bien fait ici parce que nous ne voulons pas un système de sabotage. Nous voulons que Nassourolaye soit fait et soit parfaitement fait. C'est-à-dire que les routes, qu'on restaure surtout les deux routes bien canalisées, c'est notre combat aussi. Oui, pour euh, un combat, oui, porté par la jeunesse de Nasrullah, mais aussi porté par le quartier de Nasrullah et de Ce combat, c'est Nasrullah pour zéro inondation. C'est les jeunes qui le portent ici. Euh, mais euh, venant des autorités, nous leur exerçons à revoir les canals, à revoir les systèmes de canalisation, parce que nous voulons aussi des canals bien faits. C'est-à-dire que eh, lors des hivernages que Nassouroula ne patrouille plus dans les eaux. Il y a des mhm. maisons abandonnées aussi. Oui, il y a des maisons abandonnées. Ces maisons abandonnées, c'est faute d'inondation. Ça, tout le monde le sait ici à, à, Djamagan Oui, parfois, certains sont devenus des fiefs de malfaiteurs. C'est pourquoi nous exhortons les, autorités de, de, de, veiller à la sécurité, d'augmenter ici des postes de police et de gendarmerie ici à Diamogun plus qu'il y a de postes de sécurité, nous serons plus à l'aise aussi. En tout cas, nous appelons tout le monde. On appelle tout le monde à venir soutenir le combat de Nasrullah, plus précisément le combat de Diamogun Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, on peut pas aller nous seuls. Nous, nos efforts s'arrêtent ici. Nous pouvons organiser des setsetals, nous pouvons appeler. mais il y a des autorités compétentes dans ce, ce domaine. Et nous appelons les autorités compétentes à, venir et à, plaider pour cette cause, c'est-à-dire que la sécurité de Nasrullah, euh, l'assainissement de Nasrullah, mais aussi un cadre de vie meilleur pour Nasrullah. Bon, la santé, ça va dans l'ensemble, même s'il y a beaucoup à faire aussi. Nous voulons aussi qu'il y ait un poste de santé ici, euh, euh, mais les routes sont défectueuses. Nous voulons aussi des routes pour accéder à ces postes de santé et des, des matériels médicaux adaptés

soo gisee dañuy dem ci suñu tuur yi yaa gis nit sax nga sangu toog di ko xaar mënta génn ngir kërëm gu taa mënta dem ngir bàyyi njabootam ndax këram ni mu mel suñu mbedd yi mënuñoo sol benn yére bu baax jaar soo gisee nag ñu jógal suñu bopp gisaguñu kenn déggaguñu kenn lii ñuy jéngu ni di ko defal suñu bopp ñun jigéen ñi ñoo jóg jënd suñuy bale ci suñu xaalisu bopp jóg di ko bale suñu bopp kenn fekkaguñu ci kenn fekkaguñu ci. gox bi nekk na gox boo xam te mbënd mi da koo laal. da koo laal carrément te yàgg na koo laal daf ko yàgg laal te gisuñu kenn ku ñu ci dimbali kenn ku ñu ci dimbali amut suñuy xale yu góor yi parce genn wàll gi ñu liggéey. waaw li ma leen ciy wax. loolu nga wax dëgg la ndax bërki barki démb damaa dem Almadi ñu dem fa keroog jour gàmmo taxi bu ñu jël bi nee jàmm gën la ñu ñëw dañuy lànk ndax nee nañ fii baaxut seen mbedd yi baaxul. koñ boo tourné mi ngi am ndox bari na ay bandi lañ ñuy tegal façon bon bu ne ta fekk boobu su fekkee ne normal na baax na rek bandi yooyu ñuy wax sax duñ ko fi gis